Ainsi, nous, membres du mouvement des ABCDR, après une large concertation avec la base dans tous les départements du pays et dans la diaspora, considérant la situation de tournant décisif dans laquelle se trouve notre pays, le Sénégal, appréciant l'offre programmatique de chaque candidat à cette élection présidentielle, analysant nos convergences de vision pour un Sénégal prospère, un peuple épanoui dans l'équité de la conduite vertueuse des politiques publiques, suite à un entretien fécond et constructif avec les responsables de la coalition Diomaye Président, choisissons de soutenir largement la coalition Diomaye Président 2024 à l'élection à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 qui propose de grandes réformes structurelles des institutions de la République pour l'instauration d'un état de droit, de la bonne gouvernance et de l'épanouissement des, populations dans un Sénégal prospère. Votons et appelons à voter le président Bassirou Diomaye Jahar Faye pour, une large victoire dès le premier tour du scrutin du 24 février prochain, Inch'Allah. Ensemble, va être une victoire éclatante. Je De la coalition des jeunes maires, la coalition Goriubès, pour aller à la conquête de la commune de Saint-Louis avec en bandoulière un programme alléchant et séduisant par son originalité intitulé 20 priorités, 22 engagements pour bâtir un Saint-Louis nouveau. Cette candidature de notoriété nous a permis d'engager des voies non négligeables réparties dans tous les quartiers et de gagner la sympathie des Saint-Louisiens en plus d'un poste de conseiller. Dans la même foulée, nous avons bénéficié six mois plus tard de la confiance des leaders de la coalition Art Sénégal qui nous ont investi intégralement sur leur liste départementale à Saint-Louis pour les élections législatives du 31 juillet 2022 avec un score très honorable face à des ténors de la scène politique ancré dans la vieille ville Saint-Louis. Aujourd'hui, chers compatriotes, nous sommes à un moment décisif. La coalition Diomaye Président représente une opportunité unique pour nous de transformer nos idéaux en actions concrètes pour le bien-être de notre nation. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer ici et devant vous, que Sénégal Debout se rallie à la coalition Diomaye Président pour les élections présidentielles du 24 mars 2024. Cette décision n'a pas été prise à la légère, elle est le fruit d'une réflexion profonde et d'un engagement indéfectible envers notre pays. Nous croyons fermement que notre génération a le pouvoir et la responsabilité de façonner de ses propres mains l'avenir de ce pays. Et nous nous joignons à la coalition Diomaye Président en renforçant nos, notre engagement envers le changement et la transformation. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, mais nous sommes aussi également convaincus que notre union et notre détermination nous permettront de surmonter tous les obstacles. Je vous rappelle et je vous appelle à tous à vous joindre à nous dans cette nouvelle étape de notre lutte pour un Sénégal meilleur. Ensemble, avec courage et détermination, nous pouvons construire un avenir plus prometteur pour tous nos concitoyens. Je vous remercie, chers camarades, de votre confiance et de votre soutien continu. Vive la coalition Diomaye Président, vive le Nous nan, ñu ngi formé coalition Djomaï 2024 La coalition bi devenant jii def dafa enrichir maanaam ak ñi nga ce sont les héritiers de ABC ak le parti de Moussa Diop Sénégal debout vraiment une coalition bi ñu def tey coalition bu barkel et que gënaaw suba disons le 24 inshallah, allah su ngoon jotee comme ni ñu wax si suba ci suñu xëdé dem voté ji suñu ndogo jubilé incha lolu dafa am solo dafa am solo ndax. Euh,

pour nax nit ñi pour nax askan wi parce que fi dañ ci def un point d'honneur pour que sénégalais yi jeunesse bi en particulier et nous n'avons pas le droit de les décevoir mën ci gis seen bopp mënaat am espoir ba nga xam ni kenn du demati ci bateau yi parce que da nga naan man Sénégal moo ma Europe Sénégal moo ma Amérique donc demuma fenn léegi nag ñu fi nekk liggéey def lépp ba nga xam ni daañu mën a li ñu war am dañ ko am. transmettre euh, remerciement donc encore une fois je crois que je ne vais pas être long euh, président euh, remerciements ou. remerciement euh, mais di candidat Diomaye. remercier rek encore une fois le remerciement ou coalition Jomay 2024. et dit transmettre donc nous allons travailler ensemble solidairement. président Ousmane pour le grand soir incha allah donc tous pour le grand soir. mobilisons-nous la victoire sera euh, remerciement